Votre bulletin d'information communale, BIC. Inspecteur Oumar Adamo en service à l'IF de Pékin. Et je suis l'inspecteur chef de district euh, de la commune de Alors, parlez-nous un peu de pour euh, Oui, euh, disons que lorsque l'équipe du maire nous a sollicité par rapport à ces fours là on a discuté sur euh, le dispositif à mettre euh, en place. Bon, d'habitude, traditionnellement, ils avaient l'habitude de choisir euh, des étudiants qui ont certainement un très bon niveau académique, mais par rapport aux enseignements apprentissage, on pouvait sentir des limites. Donc l'IF leur avait fait la recommandation de choisir des professionnels pour mieux prendre en charge ces enfants-là. Donc on en a discuté, on a sollicité les directeurs qui nous ont proposé des enseignants sérieux, compétents et rompus à la tâche. Donc c'est à eux de prendre euh, les enfants dans ces classes pour relever le niveau. Et comme vous le savez aussi avec la, pandémie, euh, la pandémie a perturbé à bien des égards euh, les enseignements-apprentissages. Et cette situation a impacté négativement la qualité et les performances des enfants. Donc c'est l'occasion pour relever un peu le niveau de ces enfants-là pour mieux préparer les années qui vont suivre. Donc c'est ça l'esprit euh, de ces cours-là. Alors, qui, est Wolof waaw Wolof je euh, suis euh, inspecteur Oumar Adam Siré Je suis ligué IF de Pikine Je suis inspecteur chef de district commune de Tcharaïkaou comme nous bras technique monsieur le maire et l'équipe nous dañu dañu cours de vacances Nous avons ci waxtaanee léegi euh, de sax cours de vacances mi ngi 6 sixième édition bi waaw choisir aussi les étudiants Nous y a seen njàng sori ci xam-xam nañ ko avons ci xam doon na avons parce que pour